le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est la fin dimanche à Maradi de la 41e édition du Sabre National Maradi 2020 avec le sacre d'un jeune lutteur. Puis nous parlerons de la libération du maire de la commune rurale de Kabalewa, région de Difa, et celle du médecin-chef du CSI de Babarrafi, région de Maradi. L'actualité, c'est aussi la grogne des demandeurs d'asile et l'incendie du centre d'hébergement érigé par le HCR à Agadez. Pour analyser ces faits, nous sommes avec Hassan Boukar de la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Maimouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tambara. Maimouna bonsoir. Oui, bonsoir. El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. El Haj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Rufai Dandoua, journaliste sportif. Rufai Dandoua, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par la finale du sabre national Maradi 2020. Les lampions de la 41e édition du sabre national se sont éteints dimanche avec le sacre du jeune lutteur de Tilaberi Ousmane Hassan. Il a terrassé son redoutable adversaire de Zender Tassiou Sani au terme d'un combat qui a tenu toutes ses promesses. Ousmane Hassan devient ainsi le premier lutteur à remporter le sabre au titre euh, de la région des Tilaberi. Rufai Dendoua. vous étiez à cette 41e édition du sabre national à Maradi. Que faut-il retenir au sujet de cette finale très courte comparativement à d'autres finales avec euh, plusieurs pauses oui, je crois que, comme vous l'avez dit, eh, la finale n'a pas tenu ses promesses si, on peut le dire, puisque si elle avait tenu ses promesses, peut-être que Tassu serait champion parce que c'était le grand favori. Surtout quand on était entré à la phase euh, éliminatoire directe il euh, avait montré qu'il était vraiment venu pour remporter le sabre. Au tout début, on ne sentait pas euh, la présence euh, de Tassiou physiquement. C'était 118 kg, 2 m. 08, et avec les 5 mois qu'il a passé à, Dakar pour se préparer pour ce sabre national. Je crois qu'il s'était préparé pour remporter le sabre. Et pour ceux qui étaient sur place, dès qu'il rentre, il, il envoyait une sorte de, de puissance. Il faisait peur à ses adversaires. Mais bon, Hassan Ousmane de de C'est vrai qu'on ne l'avait pas attendu à ce moment, mais moi, moi qui étais sur place, qui l'avais vu depuis trois ans, je pensais au moins qu'il serait en demi-finale. Ça, au moins. Mais, pourtant, pour qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché vous savez, la lutte, c'est beaucoup de, facteurs, c'est beaucoup de choses. Au-delà de ce qui se passe à, l'intérieur, il y a des choses qui se passent aussi à l'extérieur dont nous ignorons. Et je crois que c'est l'année de, de, Ousmane Hassan de, de Puisque moi, j'avais cru que le lutteur de Niamey allait le terrasser. Mais quand il l'avait terrassé, je m'étais dit, ah, ce petit, il faut compter avec lui. Et à la finale, tout est permis. Mais malgré tout, je me disais que Tassu allait gagner. Tassu était rentré sûr de lui, pensant qu'il allait retourner avec le sabre. Mais bon, dans tout combat, lorsqu'il doit y avoir un, gagnant et un perdant, ça a été le cas. Le jeune de Tilaberi a gagné cela, mais il fallait déjà et savoir que l'année passée à Tilaberi, il avait fait une très belle euh, compétition, un très beau championnat. Il avait été terrassé en quart de finale, euh, je crois par... Euh, j'ai oublié celui qui l'avait terrassé, mais il avait été terrassé quand même en quart de finale et il avait fait de très beaux combats. Cette année encore, il avait fait de très bons combats. Il a terrassé des, des, grands lutteurs. Malgré tout, on pensait que Tassu allait, allait le terrasser. Mais 4 minutes, 5 minutes ça se fait. Je me rappelle, je crois, euh, Ibrahim Tiama et Bala ça n'a pas fait 5 minutes. Et ce genre de combat, pour qui connaît le combat de Tassu, tout le monde savait que ça n'allait pas durer. Tassu, il prend son temps pour finir ses incantations et dès qu'il finit, il rentre ou il terrasse ou elle le terrasse. Ça a toujours été comme ça. Rappelez-vous de la demi-finale avec Aliceni de, de, Dosso c'était une minute et quelques, moins de deux minutes. Il était rentré, il a terrassé, tassu comme ça. Donc, moi, personnellement, et les gens avec lesquels on était sur place, on s'était dit ça n'allait pas durer et ça n'a pas duré. Donc c'est tout à sur le combat a tenu sur ce plan toutes ses promesses, mais sur l'autre aspect, je pense que Tassou eh, était le grand favori, mais comme toute compétition, eh, ça peut changer à tout moment. Hassan Boukar, <clears throat> cette victoire de ce lutteur de la région de Tilaberi est-elle une surprise pour vous Alors pour moi, <clears throat> c'était une surprise jusqu'à un certain niveau. J'ai suivi son combat en quart de finale face à un lutteur de Dosso. Je l'ai donné vaincu à plusieurs reprises. Rappelez-vous de, cette, euh, de ce quart de finale qui a pris plusieurs minutes avec plusieurs pauses. C'était ennuyant finalement. Mhm. Alors, je, vois euh, ce, ce, champion de Tilabi, je vois quelqu'un d'extrêmement solide, peut-être beaucoup plus fort que technique. Il avait en face un joueur, un lutteur de, de, Dosso qui montrait beaucoup de euh, performances, qui était très athlétique, très sportif, mais en face, il avait le poids de celui qui est devenu par la suite champion. Il avait le poids, il a tout essayé et finalement, il n'arrivait pas à le, faire tomber. Rappelez-vous, à un moment, l'entraîneur de Dosso avait même euh, demandé la victoire en laissant croire que les deux genoux euh, étaient, étaient sur le sac. Donc, alors, après ce quart de finale, je me suis dit, mais, ben, ben, dis donc, ce jeune homme de Tilaberi, je pense que j'aimerais bien voir la suite de compétition, comment elle va se battre. Alors là, mais en finale. voilà. Il a, pris 50 minutes comme ça. Alors, quand, je l'ai vu en finale, je me suis dit peut-être que euh, moi je croyais que Tassu était aussi le, favori. J'ai l'impression peut-être que Tassu a pêché par excès de confiance. Peut-être. Parce que le geste qu'il a fait, je pense, laisser croire un moment qu'on pouvait normalement voir son adversaire à terre. <laughs> Mais, le combat n'était pas fini. Et donc, est-ce qu'il a péché par euh, excès de, par excès de confiance Je me pose la question. Mais, mais pour moi, ça me donne l'espoir. Là, je me rends compte que on a eu un champion qui est jeune, 23 euh, ans je crois, c'est ça son âge. Ça donne l'espoir pour euh, les années à venir. Je suis très content pour que petit à petit les choses se renouvellent. Et tout pour euh, qui n'a jamais eu de, de sabre, qui n'a jamais remporté. C'est bien, ça fait, ça, fait, ça fait plaisir pour Tilaberi. Et petit à petit, finalement, les choses, euh, les choses bougent. Euh, lorsqu'on a vu ces trois lutteurs de, Dosso en quart de finale, ben, on s'est dit, mais peut-être que Dosso sera au moins en finale. Mais on voit bien que euh, les, dieux des arènes ont, décidé autrement. Donc pour moi, cette finale, euh, c'est une belle finale. Il y a quelqu'un qui est techniquement très puissant, il y a quelqu'un qui est, vraiment montant. Mhm. je pense que ça a été pour moi une très belle finale peut-être pas beaucoup de surprises, hein, mais en tout cas, je me suis dit que euh, le diagnostic que je me suis donné déjà à partir du quart de finale, peut-être que ça n'a pas été démenti. Je me suis dit, ben, ce jeune homme de Tilaberi, je pense qu'il va peser encore sur la suite de la compétition, et ça a été vraiment le cas. Mamoudé Diado, qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention au cours de cette 41e euh, édition du Sabre national Maradi 2020 Bon, je ne pourrais pas dire grand-chose parce que je ne suis pas. Vous, avez, vous avez quand même suivi euh, les combats J'ai suivi les combats. Bon, il faut suivre, hein mais, bon, <laughs> c'est vrai, mais ce qui m'a, ce qui a retenu mon, mon attention, c'est surtout la finale. En fait, la finale, c'est quand tu te retrouves devant un grand professionnel et devant un jeune où techniquement peut-être l'autre pensait déjà qu'il sera champion. Et voilà que le jeune aussi, par son, expérience, le peu d'expérience qu'il a eu à, travers donc ces euh, compétitions, lui a permis aujourd'hui de terrasser. Ça veut dire que c'est le choix en fait, de toutes les mille manières. Il y a eu plusieurs lutteurs qui ont défilé dans ces arènes, mais quand la victoire, Dieu te promet la victoire, personne ne peut en fait s'y opposer. Et en donc, pour vous, c'était une surprise. Pour moi, c'était une surprise. Honnêtement, c'était une surprise connaissant son adversaire. Tassou Sani, pour moi, c'était une surprise. Je ne m'attendais pas vraiment, véritablement, que Tilaberi remporte le sabre. Et surtout quand j'ai vu la technique par comment su c'est rentré. S'est emparé, de, son adversaire. Je pensais qu'il allait mettre son adversaire euh, à, terre. Mais <laughs> c'était pas ça. C'était pas ça véritablement. Donc ça veut dire que le jeune, il a tellement appris avec ses euh, euh, compétitions. Et ensuite, c'est pour dire également que des fois, quand tu vois ton adversaire, ne le sur, euh, sous-estime, pas. Il ne faut pas le sous-estimer parce que tu ne sais pas là où sa force vient. Tu ne sais pas là où il purge sa force en fait. Voilà, techniquement, on peut dire la force, c'est vrai. Quand tu vois quelqu'un de physique, tu penses que peut-être en le voyant avec son poids, avec euh, sa force, peut-être que tout de suite, il fallait dire que euh, la coupe ou bien le truc, sabre, le sabre lui revient. Mais non, mais il a tenu tête quand même. Et par astuce, il a pu vraiment, véritablement mettre, à terre euh, euh Tassou. Et, je pense que également Tilaberi mérite ça de toutes les manières. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation aussi insécuritaire et c'est la joie quand on dit que Tilaberi a remporté pour la première fois et que ça vient d'un jeune aussitôt et, euh, entré dans les arènes. Pour la première fois, par exemple, on le voit déjà en train de, faire victoire, en train de, d'amener la foule à l'admirer, à le soutenir, je pense euh, que c'était vraiment bien et tout compte fait de toutes les manières, que ça soit Tilaberi, que ça soit une autre région. C'est le Niger, qui, gagne. de toutes les mille manières. Elhaji de Suleiman, quelles sont les imperfections que vous avez pu constater au cours de cette 41e édition et qui méritent d'être corrigées euh, Je dois dire quand même, euh, avant de, de répondre à votre question, que Tassu n'a pas de mérité. Je pense que le champion a bénéficié d'une sorte de, part de chance, euh, comme euh, Rufa parle d'incantation. Je pense que ça. en tout cas, quand on voit le déroulé du, combat, franchement, il est parti vraiment à terre. Hein mais par une certaine euh, osmose, on a vraiment. T'as surpris, effectivement. <laughs> voilà, voilà. Donc, mais je pense que c'est la beauté, c'est effectivement, c'était beau que Tilaberi remporte parce que depuis quand Narwa à Tilaberi, il y a un dégoût. Mais vraiment, je pense que c'est, ça, motive, en tout cas, ça donne un peu aussi un, goût, en tout cas, de, à, la, lutte. Ça s'est bien, passé. Euh, par rapport aux imperfections. aux imperfections, en tout cas. Eh, les Roufailles, eh, qui sont les, les, spécialistes. Eh, les journalistes sportifs qui étaient quand même. Ils ont euh, toujours, en tout cas, dit que le règlement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de réclamations, il y a beaucoup de confusion, euh, ce qui fait que, franchement parlant, ça, tend vraiment à dénaturer, à, à la son, côté traditionnel. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment revoir la question du règlement intérieur. De, règlement, que on se rend compte que combien, en tout cas, c'est intéressant la proposition de refaire En tout cas, si on fait en sorte que les, les invaincus ne confrontent que les invaincus, je pense qu'on on pourrait même éviter certains, certains problèmes. C'est-à-dire que même en termes de temps, on pourrait, on, on, pourrait gagner. Euh, je pense qu'il n'y a pas que des, que de ratés. Il y, a aussi des... Il y a aussi de belles choses. Moi, je dois féliciter la région de Maradi, la population, les autorités, en tout cas, on se rend compte que le comportement des gens de Maradi était vraiment à honorable, en tout cas, était patriotique. Mm. Parce que même quand c'est un de leurs qui était terrassé, vraiment, ils sont là, franchement, à, saluer. Un autre élément, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la présence euh, de nos amis du Nigeria, notamment le gouverneur euh, tout à fait que de mm. Sokoto, vraiment qui était là, faisant aussi des gestes. C'était très intéressant de voir, c'était lui qui était à côté du Premier ministre au euh, remise du sabre à, à Franchement, je pense que malgré en tout cas les ratés passés, le championnat en tout cas de la quatrième édition en tout cas était belle euh, en tout cas à Maradi. Euh, Rufai, soyez bref. Oui, j'allais je vais être bref pour dire rapidement que je ne pense pas que Tassou ait sous-estimé eh, Hassan Ousmane, puisque eh, l'avait terrassé eh, oh, lors, de la, coupe du président de la République. proportion même si les enjeux ne sont pas les mêmes, puisque vous savez, quand on vient à la coupe du président, je me rappelle, Saleh Daouda, il a gagné trois fois successivement. Il n'y a pas beaucoup de, recherche des marabouts, des imams, il n'y a pas tout ça là. Vous, il ne faut pas perdre de vue cela, c'est très important. Peut-être que Tassou pensait qu'il a terrassé Ousmane, mais il y a peut-être autre chose qui a, qui a prévalu, puisque les gens oui, les, gens se disaient que peut-être que s'il était assis sur lui, il allait, tomber. Mais peut-être il y a autre chose plus forte que, que tu Maintenant, sur il faut dire qu'il y a, au-delà du Hassan Ousmane de Tilaberi, il y a un autre euh, jeune qui a été la révélation du tournoi. Euh, de C'est Aibou Hassan, de, de Maradi. Il a été impeccablement très bien et il a été très bon techniquement. C'est un petit pétri de talent s'il est suivi, le petit eh, va être bien. Et aussi, côté eh, ce qui a été bien, c'est l'organisation. Malgré que soit au stade, on disait non, c'est au stade, c'est la première fois. Ça a été une expérience, mais elle a été bonne. Il y a eu des petits ratés. Maintenant, pour changer, c'est le code qu'il faut changer. Ça, on a fait des propositions depuis près de 5 ans. Même cette année, on nous a, on nous a approché pour voir. Mais je pense qu'il faut vraiment aller en profondeur dans, dans le code pour le changer afin qu'on puisse éviter certaines imperfections pas pour euh, euh, ramener la lutte à la tradition, on ne peut pas le faire. Il faut faire aussi avec ce qui se passe sur le plan sur le parce qu'il y a le tout euh, incessamment qui va, rapidement. rapidement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut remarquer que dans ce pays, la lutte reste vraiment le sport dominant. On sort du deuil de Inates, mhm. puis il y a eu le deuil, tout ce qui s'est passé après à Sanam et, tout ça. Mais malgré tout, regardez un peu l'enthousiasme que la lutte a créé dans ce pays. Alors, c'est un message pour les acteurs politiques. Il faut qu'ils sachent que l'opinion ne les laissera pas faire ce qu'ils veulent de ce sport-là. Ce sport a vraiment une base populaire. Il faut bien qu'ils le prennent au sérieux. Et, et là, sur le règlement, moi, je me pose toujours la question. Je suis toujours frustré de voir quelqu'un qui a à peine mon poids, 60-70 euh, <laughs> kilos, en face d'un <laughs> mastodonte. Alors la question que je me pose, est-ce que ça peut être peut-être aussi comme à la boxe, selon les poids, selon les catégories Mais je vous pose franchement les questions. On, le fait au Tolac, c'est ça qu'on fait par poids euh, à, la CDAO, mais c'est ça qui fait le charme de la lutte traditionnelle au Niger. Le fait que 5 euh, kilos se fasse terrasser par 50 kilos ou 5 kilos, Hassan Ousmane qui, qui, terrasse, qui terrasse Sani qui fait 118 kg, 2 mètres 08. C'est ça qui fait le changement et c'est ça qui plaît même aux Nigériens qui viennent pour verser leur argent. en face de quelqu'un comme Haruna Abdou. Justement. <laughs> Parlons à présent de la libération du maire de la commune rurale de Kabalewa dans la région de Difa par ses ravisseurs samedi 4 janvier. Abari El Daouda et sa femme avaient été enlevés le 19 octobre dernier par des hommes armés non identifiés. Dans la région de Maradi, l'agent de santé et responsable du centre de santé intégré du village de Babarafi, enlevé mardi 24 décembre, a été lui aussi libéré le dimanche 29 décembre après paiement d'une rançon de 3 millions de naira équivalent à 5 millions de francs CFA selon une source locale. Hassan Boukara, dans le précédent forum de la presse, la libération du maire de Kablewa faisait partie des vœux de nouvel an que vous avez exprimés. Avez-vous d'autres précisions sur cette libération Merci Mokhtar. Alors je commencerai par dire que je suis très content pour, pour ce maire. Euh, la dernière fois, j'ai rappelé justement que dans le cadre des activités de l'alternative, dans la région de Difa. Nous avons eu l'occasion de travailler avec lui à peine quelques semaines avant son, enlèvement. Alors je suis très content, là, selon les nouvelles que nous avons eues, il est revenu en bonne santé avec sa femme. Ils ont regagné leur, euh, leur foyer. En tout cas, je lui souhaite euh, bonne chance et beaucoup de courage pour moi, ça, confirme justement que autour de l'action maintenant, ce qui se passe euh, vire au banditisme c'est-à-dire c'est... Ce n'est plus le combat habituel que les gens non, parce que c'est des gens qui enlèvent les, personnes euh, bien précises, c'est parfois des gens plutôt aisés qu'on pense être euh, capables de payer des rançons, ou alors des autorités comme les maires euh, sont enlevés et il faut qu'ils payent de l'argent. Alors là, un moment, les informations que nous avons laissé croire que, en tout cas, à Kabylia, ils ont dû payer aussi la, rançon, je pense, euh, selon certaines informations. Voilà, selon certaines informations qui circulaient à Difa, il y avait déjà eu une tentative, une première tentative pour payer qui a échoué parce que où l'argent aurait été confisqué par d'autres groupes qui ont dû intercepter les messagers, etc. Il a fallu donc euh, apparemment reprendre encore, euh, se mobiliser des ressources pour aller payer et faire libérer le maire. Donc ça montre finalement que ça vire au banditisme. Si vous avez un minimum de revenus, si c'est vous êtes perçu à peu près comme quelqu'un d'aisé, donc vous n'êtes plus en sécurité. Donc euh, on a vu un moment euh, toutes ces revendications totalement bidons de djihadistes, des gens qui veulent euh, faire la promotion de l'islam, etc. Alors on voit, ça apparaît aujourd'hui selon son visage le plus vil on se rend compte que c'est du simple euh, banditisme. C'est du, business des gens qui s'enrichissent euh, sur le dos des, pauvres personnes. Il y avait déjà des signes dans la région de Diffa. Par exemple, lorsqu'on avait demandé aux populations de vider les îles de l'Akchad, rappelez-vous de l'ultimatum du gouvernement, il y avait beaucoup d'éleveurs qui avaient abandonné les vaches. Ces vaches s'est retrouvées sur les marchés de la région de Diffa à un moment. Les gens arrivaient à identifier les éleveurs, c'est pas compliqué, ils connaissent très bien leur bétail. On arrivait à identifier des bétails qu'ils avaient abandonnés dans les îles de l'Akchad. Donc il y avait déjà ou une partie euh, finalement de cette nébuleuse euh, qui menait ses activités dès le départ, ou des personnes qui ont vu l'opportunité, l'occasion fait le larron, ils ont profité du fait que tout acte posé était tout de suite euh, lié à Boko Haram. Et donc, ils profitaient pour faire le vol. Alors, le maire de Kabila a été victime de ça. La question que je me pose aujourd'hui, euh, c'est la fragilité finalement de toutes ces personnes qui peuvent être ciblées aujourd'hui sur le maire de Kabléwa. Est-ce que ça sera celui de Bosso, celui de Toumour demain Je n'en sais rien. Et donc, euh, dans la région de Difa aujourd'hui, ça montre vraiment que vous avez affaire à du vol, à du banditisme et c'est totalement regrettable aujourd'hui. Et on ne voit rien en face qui arrête ça. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est aussi un sentiment très partagé à Difa. Les gens ont l'impression que pour l'instant, ils n'ont pas l'espoir que quelque chose l'arrête. Et c'est vraiment dommage que ce soit cela. Mohamed Suleiman, selon Radio France Internationale RFI, la famille affirme ne pas avoir eu de contact avec l'État et avoir payé une rançon au ravisseurs sans en dévoiler le montant avec la participation de tous les proches amis et connaissances du couple. Que faut-il retenir au sujet du paiement de la rançon ben, Vous savez, il se pourrait qu'il ait peut-être des deals euh, euh, que vous n'allez jamais avouer que vous avez payé des de rançons, sinon on va revenir. Vous savez, en fait, ici, les populations sont dans une situation vraiment, euh, en tout cas, de chantage. C'est-à-dire que vous pouvez payer la leçon, mais ne pas le reconnaître, ne pas le dire. Quand vous le dites, c'est violer le principe. On va revenir, en tout cas, à représailles pour vous prendre. Donc, le plus important, c'est que vous voyez, c'est vraiment un dilemme cornélien que ce soit l'État ou bien les privés, si l'État refuse, dans tous les cas, l'État, l'option, c'est de ne pas négocier avec les, terroristes. Parce que d'abord, il faut d'abord qu'on les connaisse. Euh, pour le cas particulier du Niger, euh, les terroristes, en tout cas, qui nous frappent, euh, ils n'ont pas de revendication précise, on ne sait pas qui c'est. Donc, vous voyez, maintenant, les personnes privées, en tout cas leurs parents, sont obligés de se débrouiller tant que l'argent, ils peuvent mobiliser l'argent, ils vont le faire. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Et, mais je pense que, euh, véritablement, que ce soit ici, on, le voit même dans les pays occidentaux souvent, les gens ne s'empêchent pas de payer des rançons pour libérer des, gens. Mais en réalité, ici, vraiment dans le cas de Boko Haram, ça vraiment conforte la thèse de, de, notre confrère euh, euh, euh Siddiq, Abba, qui dit qu'effectivement Boko Haram est vraiment pénurie de ressources. Ils ne peuvent que justement procéder par, ces, par des rançons pour effectivement alimenter euh, leur, posture. Donc, euh, euh, je pense que, franchement, il va falloir que l'État, en tout cas, davantage renforce nos, forces de, de, de, sécurité, parce que j'avoue que c'est compliqué pour la population. Tout celui qui se laisse, si on prend un membre de ta famille, tant que tu as l'argent, tu vas effectivement chercher à le libérer. Si les gens pourraient effectivement euh, le libérer. Mais c'est vraiment un cercle infernal, c'est un moyen donc euh, de, chantage. On ne peut pas en finir. Donc ça va être un cercle vicieux. Je pense que euh, la meilleure façon, c'est vraiment de voir. Parce que le cas effectivement de, de, de le cas de, de Gabi, mm-hmm. la reine de santé, c'est la même chose. C'est des bandits, particulièrement dans cette zone-là, c'est des bandits. Et quelqu'un récemment qu'on a interrogé a tendance à dire que effectivement la fermeture des, des, des frontières dit, à vérifier effectivement, euh, aggrave euh, cette, cette, situation. Dans tous les cas, on sait que, par exemple, on a vu les limites au niveau du Nigeria. Les États frontaliers, euh, en tout cas le, Nigeria, n'ont pas la, force d'envoyer des, des, militaires, et n'ont que, je crois, la force de police, contrairement à chez nous où le gouverneur a effectivement le pouvoir d'envoyer les, FDS pour, poursuivre. Donc il y a justement aussi de ce point de vue avec nos voisins, pour ceux qui concerne la région de, de, Maradi, en tout cas qu'on puisse voir, euh, parce que c'est les gens qui viennent du Nigeria le plus souvent on dit, qui viennent en tout cas faire des forfaitures et se retirer en tout cas dans la forêt ou bien au Nigeria. Dandoua, 3 millions d'ENERA, soit l'équivalent de 5 millions de francs CFA, selon une source locale. C'est le montant de la rançon payée contre la libération des responsables du CCI de Babarafi, auquel faisait, allusion euh, Alagé Mohamed Souleymane. Comment expliquer la persistance de ce phénomène Vous savez, c'est comme l'a dit eh, Hassan Boukar, eh, ça devient une sorte de, chantage, une sorte de, business dans, dans, ces régions, surtout à Difa où ça a commencé. Aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Pas que Boko Haram, puisque que eh, dans, les revendications, maintenant, ils ne disent même pas Boko Haram. On dit un groupe, un groupe, un groupe de bandits qui, qui, qui réclament avoir kidnappé telle personne et qui revendique telle somme. Pourquoi Parce qu'ils pensent qu'on va les payer. Mais eh, le problème, personne ne peut le dire parce que si vous le dites, vous ouvrez, une brèche encore à ce que demain eh, ils revendiquent euh, de l'argent. Sinon, aucun pays au monde, même les États-Unis qui disent ne pas négocier avec les terroristes, ils le font. Aucun pays au monde ne laisse passer un de ses, un, de citoyens ou concitoyens dans les mains de... Le problème ici, c'est que ce n'est pas l'État qui négocie et c'est là où le bas blesse vous êtes laissé à votre propre sort. Peut-être la famille n'a pas assez d'argent. Il faut qu'on récolte à gauche, à droite, par le frère, le grand frère, l'oncle qui n'est pas au Niger, ou bien il faut vendre ceci ou cela. À la fin, quand on, libère votre frère, vous êtes, vous, devenez aussi, vous êtes fauché, vous devenez encore si pauvre que ça. Le peu que vous avez, vous, avez, tout mis pour donner à, ces bandits. Et le pire, c'est qu'avait dit par exemple Hassan, au début, quand on avait voulu eh, eh, libérer le maire de Kabalewa, la première rançon aurait été eh, interceptée. Intercepté. Ça veut dire que si c'est 20 millions, ça fait 40 millions pour, pour le libérer, on a, dépensé, on a dépensé 40 millions. Vous voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne des dispositions, pas par les autorités locales, mais par euh, l'autorité centrale pour que ces gens qui, ont, qui sont victimes ou ces, entités qui sont victimes de ce genre de choses soient sécurisées afin qu'on évite ce genre de choses. Mais euh, c'est sûr que c'est devenu aujourd'hui un fonds de commerce, pas seulement pour Boko Haram, parce qu'aujourd'hui, même un groupe de, gens, un groupe de, jeunes bandits qui, qui veut avoir de l'argent peut le faire et en demandant de l'argent et sachant pertinemment qu'on va le donner. Tout le monde peut le faire. Je pense que l'État doit mettre toutes les dispositions nécessaires pour qu'on puisse éradiquer ce genre de problème. Maimouna Diado, comment arrêter cette euh, nouvelle forme de criminalité le long des frontières du Niger Comment l'arrêter Ça, c'est <laughs> seulement euh, l'État, peut-être, euh, ou le ministère de l'Intérieur qui peut répondre à ça. Mais j'aimerais juste apporter ma contribution sur cette situation aussi. C'est que je l'avais dit en amont ici, euh, lors d'un forum, que la sécurité aujourd'hui, au niveau de d'IFA, l'insécurité, donc, nos FDS sont partagés. Aujourd'hui, avec l'enlèvement, des, personnes et également faire face à Boko Haram. Donc c'est énorme aujourd'hui pour nos FDS. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement qu'il se pourrait que cette insécurité, ça ne soit même pas euh, Boko Haram. Que cette insécurité, c'est des individus mal intentionnés qui profitent également de la situation pour faire euh, ces, ces, de poser ces genres d'actes. Et ce pourrait également que d'un côté aussi, ça soit beaucoup Haram. Mais l'un dans l'autre, ces personnes qu'on enlève ont été déjà identifiées. Ils prennent tout leur temps pour identifier les gros bonnets, comme ils le disent, ceux qui peuvent faire leur affaire, que ce soit des commerçants, que ce soit des hommes, euh, que ce soit les, oui, oui, les autorités, que ça soit. Il suffit tout simplement d'avoir quelque chose, en fait, qui peuvent les attirer. Et euh, vous êtes déjà appris dans leur filet. Et maintenant, ce qui se pose également, c'est quand vous regardez au niveau de la région de Diva, c'est la demande de rançon. C'est les personnes qui sont enlevées. Contrairement à la région de Tilabéry, quand vous regardez là-bas, on exige à la population de payer l'impôt. Voilà. Donc ça veut dire que de toutes les mille manières, l'insécurité a fait en sorte que d'autres formes de banditisme se développent dans les deux régions. Et aujourd'hui, comment l'arrêter C'est très difficile à mon niveau, mais ce que je, pourrais conseiller également, c'est que l'autorité euh, doit veiller en tout cas sur la population, parce que c'est un droit aussi à cette population d'être sécurisée par l'autorité. Et je pense que ça ne devrait pas les empêcher de vivre, ça ne devrait pas en fait freiner leur activité de tout le temps parce que ça pourrait également créer le psychose en fait au, niveau donc de ces populations. Et quand on regarde Maradi, quand on regarde Difa, demain ça sera quelle région et quelle personnalité qui sera enlevée. Personne ne sait. Que Dieu garde et sauve le Niger, c'est tout ce que je pourrais dire. La représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Niger, Alexandra Morelli, était à Agadez. Cette visite fait suite aux protestations des demandeurs d'asile qui ont incendié samedi dernier leur centre d'accueil qui abrite plus de milliers de personnes. Alexandra Morelli explique qu'elle est venue à Agadez pour comprendre la nature profonde de la crise. On l'écoute. Je suis ici à Agadez pour euh, apporter toute ma solidarité au gouvernement local et pour gérer ensemble euh, cette crise, pour comprendre profondément la nature et s'assurer qu'on continue à protéger et à donner de l'assistance aux victimes même parmi les Soudanais de cet acte euh, de vandalisme qui n'a pas de commentaire. Quelle a été votre réaction après l'incendie du site La réaction d'une femme, d'une mère qui a cru dans ses enfants et qui a tout fait avec le gouvernement du Niger pour garantir euh, un espace de paix et de protection. Je me suis sentie trahie. C'était la première émotion humaine que j'ai eue de douleur. Mais aujourd'hui, on met les émotions à côté et on travaille avec le pragmatisme, la lucidité, guidé par la solidarité et les lois du Niger, que la justice va prélevoir et les victimes vont être, continuer à être assistées. Mais les pertes au niveau financier, c'est énorme. Alhaji Mohamed Souleyman, votre commentaire après avoir écouté la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Niger. Euh, ben, euh, c'est déjà un problème qui est là, réel, euh, qui est mal géré. D'abord, quand vous voyez, fondamentalement, les réfugiés, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas qu'ils ont un problème avec le gouvernement du Niger. Plutôt, et euh, leur cible, c'est d'abord protester contre le, HCR et aussi les partenaires occidentaux qui ont pris des engagements, euh, en tout cas avec, euh, avec l'État du Niger, pour bloquer ces gens. On leur empêche de continuer leur route. Et vous savez très bien que leur désir de, de, de, traverser notre frontière est, est tel qu'ils sont prêts à se laisser jeter dans la mer, à se faire tuer donc, vous voyez, en réalité, il n'y a pas de surprise. Ces gens, ils sont prêts à tout parce que tout simplement, ils pensent que euh, leur euh, justement action est légitime parce que le droit euh, de, en tout cas des personnes et des biens de se déplacer, c'est universel. Donc la migration, c'est historique. Tout le temps, les gens se déplacent. Donc il y a un problème maintenant. En ce qui concerne l'État du Niger, moi j'étais récemment, j'ai fait un reportage où, en présence de ce réfugié, même les ex-prestataires de la migration, donc les gens d'Agadez, les, anciens rebelles, à qui on a promis d'abandonner cette activité, euh, pour donc se, trouve que justement, les Occidentaux qui ont promis de financer justement leur reconversion, cela n'a pas été fait. Donc, le gouvernement du Niger doit s'assumer en rappelant justement aux pays occidentaux responsables, en tout cas qui ont pris des, engagements, donner ces engagements Sinon, franchement parlant, c'est une contradiction, en tout cas à laquelle notre gouvernement est confronté, parce que il a joué de juillet, comme dirait l'autre, le, gendarme en tout cas, mais on se rend compte à l'évidence que euh, les partenaires ne sont pas sincères, ils n'ont pas honoré leur engagement, et je pense que euh, franchement, il est urgent à ce que la question, on ne voit pas simplement que c'est pas gens. Imaginez par exemple 350 euh, personnes euh, face à la justice, comment en fait on va, on va, on on les amener en, prison, c'est un problème réel qui ne pas d'aujourd'hui, une contraction, euh, j'allais dire que de l'humanité. Parce qu'en réalité, euh, le vrai problème, la question de fond, c'est que même quand ils vont en Occident, c'est eux qui font aujourd'hui certains travaux. C'était pas, c'est pas la joie. Mais je pense que la solution, c'était une vraiment illusion de penser que les bloqués constituent la solution. dans, tous les cas, ils ont toujours, en tout cas, prouvé le contraire en défiant toutes ces mesures, en tout cas, malgré tout, les gens continuent en tout cas à traverser, à, traverser les frontières et ils vont en Europe. Donc, par conséquent, il faut se dire la vérité. les gens euh, sont en train de mentir en tout cas aux, gens, en, fait, avec une mauvaise solution à un problème qui, est réel. Donc, euh, je dis que véritablement, j'ai entendu la bonne dame. Et selon nos informations, effectivement, elle est venue véritablement faire la réelle politique, c'est-à-dire que euh, véritablement, euh, oui, c'est la mère parle le discours euh, face aux enfants, mais <laughs> en vérité, il faut un jeu avec, avec les partenaires. Je pense qu'il faut vraiment dire la vérité et ne pas qu'on s'amuse avec la jeunesse africaine. En tout cas, moi, je dis que véritablement, quand vous creusez, la question est plus profonde. C'est-à-dire que notre gouvernement a fait un choix, justement, de collaborer avec les Occidentaux, dans l'optique du président de la République, en tout cas dans son discours, c'est que c'est l'immigration irrégulière qu'il faut, qu'il faut empêcher. Mais la question ici, c'est vraiment une, une, un problème, en tout cas, tout simplement, euh, de, gouvernance, un problème, en tout cas, d'emploi de, pour la jeunesse, qui est, malgré tout, en tout cas, il n'y a pas d'espoir au niveau local. Donc les gens sont prêts. Ce pas des gens, qui sont du Niger. On parle des gens qui viennent du, Soudan, un peu partout, de l'Éthiopie, euh, qui, qui, sont là. Donc, par conséquent, soit nous, en tout cas, ma, proposition vraiment pour faire court, soit au niveau du Niger, les partenaires en tout cas acceptent de régler le, problème, que ce genre soit être euh, ok, des moi en tout cas, soit. ou bien, tout simplement, le Niger le laisse continuer, tout simplement, on a fini pour une fois pour toutes. <laughs> Hassan Boukar, euh, que peut-on retenir au sujet euh, de cet événement Je pense que quand j'écoute la représentante, la représentante du, du HCR, le HCR doit se plaindre de lui-même. Euh, je rappelle que certains de ces réfugiés étaient déjà en Libye. Il y a euh, à peu près un an et demi, deux ans, l'Office français pour les réfugiés et apatrides, l'OFPRA, avait fait beaucoup de publicité pour dire qu'à partir d'Agadez, il examinait des dossiers et donnait la chance à des réfugiés de s'installer en Europe. Le HCR a ouvert un bureau. Et il y a eu entre-temps cette euh, fameuse image diffusée par CNN, et donc, il y a eu tout un concours de circonstances et les gens ont profité pour vider la Libye des gens qui étaient déjà en territoire libyen. Puisque dans la conception des Européens, lorsque des réfugiés potentiels, des migrants sont en territoire libyen, un jour ou l'autre, ils frapperont aux portes de l'Europe. Et donc, les gens voulaient carrément vider. Le HCR, il s'est prêté à ce jeu-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Il croit à des puissances européennes qui lui disent ben, on va aider, on va prendre les gens. Il fait une sorte d'appel d'air finalement, les gens arrivent à Agadez. Euh, ces gens-là, c'est entre autres des gens du Soudan. Il y a un moment des Érythréens, des Éthiopiens, hein, des gens qui ne sont pas habitués à venir au Niger, ils passer en Libye par d'autres routes. Et donc, ces gens-là sont arrivés et le HCR s'est retrouvé d'abord débordé, peut-être qu'il ne s'attendait pas à tout ce monde. un moment, on avait annoncé au moins 2000 réfugiés du Soudan. Il était dans la ville d'Agadez. Ce camp-là a été construit par la suite, donc on les a sortis de la ville d'Agadez. Alors aujourd'hui, l'acte qu'ils posent est un acte de désespoir. Rappelez-vous qu'à Niamey, ils ont fait des sittings. Ce n'est pas seulement à Agadez. Ils ont déjà fait des sittings à Niamey. Et donc, ces personnes disent simplement au HCR d'honorer ses engagements. Et le HCR est peut-être lâché par les gens qui lui ont fait beaucoup de promesses. Et du coup, il se retrouve coincé entre ceux qui lui ont fait des promesses et les gens auxquels lui, le HCR, a fait des promesses. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est totalement euh, inacceptable, à mon avis. Et ce qui me gêne, c'est que c'est une institution des Nations Unies Tu ne dois pas se prêter parce que là, c'est quand même des violations des droits humains. Mais aussi, le, type de langage qu'ils tiennent, qui laisse croire qu'on condamne des enfants peut-être mal éduqués, qui déçoivent leur mère. Ce type de langage ne sert pas à la cause des migrants, ça ne sert pas les droits des personnes qui ont déjà suffisamment souffert par la route qui ont vécu des situations extrêmement dramatiques en Libye, qui ont quitté leur pays, pas de gaieté de cœur, qui se sont retrouvés parfois coincés par un conflit qui les a obligés à quitter le, le, Et donc, on n'a pas, à mon avis, atteint ce type de langage. On fait comme si ces gens ont choisi un matin de quitter le Soudan et de s'installer à grèce Il y a quand même tout un processus qui les a amenés là. Donc, à mon avis, le HCR, au lieu de se retourner contre ces personnes-là, au lieu de parler à un gouvernement qui a choisi de criminaliser la migration, parce que le gouvernement Niger a choisi de criminaliser la migration. Et donc, l'UICR doit s'adresser aux bailleurs de fond pour leur dire honorez vos engagements. Je pense que ce qui s'est passé à Agadez, ce n'est rien d'autre qu'un acte de, désespoir. Mais Diado, comment expliquer le comportement de ces demandeurs d'asile Bon, le comportement de ces demandeurs d'asile, on peut l'expliquer de deux façons. Euh, la, première euh, manière que moi je pourrais expliquer ça, c'est qu'aujourd'hui, ces demandeurs d'asile se retrouvent à, Agadez coincés, sans euh, nourriture suffisante, alimentation donc suffisante, sans également de protection santé, par exemple, également suffisante, et aujourd'hui, euh, ils n'ont pas droit, ou bien euh, ces, demandeurs voilà, d'asile n'ont pas droit de circuler convenablement comme ils le souhaitent au niveau d'Acadès. De, Et deuxièmement, également, c'est que quand on regarde également, tu ne peux pas quitter, fuir la misère dans ton propre pays et revenir également se retrouver, vivre, pire que ce que tu as laissé dans ton pays. Donc, ça, explique tout. Ça explique que ces, demandeurs d'asile en ont marre. Ils en ont marre. Ils, ont, ils se sont tués pendant plusieurs mois. Maintenant, il faut que l'opinion internationale et l'opinion nationale sachent dans quelle misère aujourd'hui ces populations vivent. Parce que c'est des populations aussi, il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, je me rappelle également le jour où l'État du Niger a décidé d'être le gendarme de la migration, des, des, voix se sont levées tout de suite pour dire faites très attention. Ce que vous êtes en train de dire et ce que vous êtes en train de faire, c'est diamétriquement opposé. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas limiter la migration. La migration. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas contenir la migration. En fait, c'était, il fallait prendre parce qu'il y avait de l'argent. Il fallait le prendre, mais euh, sans se soucier de ce qui allait arriver petit à petit au niveau donc de d'Agadez. Et aujourd'hui, comme il l'a rappelé, c'était d'abord Niami et Agadez. Donc, ça veut dire que ça doit interpeller l'État. L'État doit revoir ses engagements vis-à-vis d'abord de ses, partenaires. de ses partenaires. Et également mettre dans les conditions, comme je le disais, parce que là, nous sommes déjà menacés. 2 millions de Nigériens sont menacés par la famine. <laughs> comment, éviter ce genre de désagrément à l'avenir Moi, je pense que c'est euh, tout ça est, la faute des politiques que mènent nos autorités <clears throat> et qui arrivent à ce genre de situation. S'il y avait des belles politiques euh, pour euh, trouver du travail, pour trouver de l'emploi aux, jeunes, tout cela ne serait pas arrivé. Non, je ne parle pas de, je, ne, parle de tous les, toutes les, toutes les autorités, et les autorités africaines, et qui sait aussi peut-être qu'il y a des Nigériens parmi eux. Donc moi je pense que c'est dû à cela, et c'est ce genre d'injustice sociale qui amène des guerres, qui amène la corruption dans, nos pays africains, et à, en fin de compte vous voyez des des jeunes qui migrent préférant aller mourir dans la mer que de rester chez eux. Si les, si, les autorités ne pensent pas qu'à leurs proches, ne pensent pas qu'à leurs enfants et qu'à leurs proches, à leurs comptes bancaires qu'ils amènent dans les pays occidentaux, tout cela ne serait pas arrivé. Donc je pense qu'il faut penser à, il faut penser, penser, s'il vous plaît, avant de, pouvoir accuser le HCR ou les Nations Unies de n'avoir pas fait cela ou de n'avoir pas eh, honoré leur engagement. Conséquence, le gouvernement du Niger est tombé dans ses propres turpitudes parce que, comme l'a rappelé Memona, ici même on avait parlé de ça quand le président était parti plaider et eh, la cause pour, pour, pour, pour, pour faire tout cela. Aujourd'hui, conséquence, on, est, on, rencontre cela. Et, d'un autre, autre aspect, je pense que les migrants aussi, tu ne peux pas cracher dans la soupe, même si les conditions ne sont pas bonnes, tu ne vas pas détruire tout, tout l'endroit où tu vis. Maintenant qu'ils ont fait ça, ils vont rester où moi, je pense qu'il faut aussi quand même qu'il y ait un minimum de bon sens afin de voir tout pour trouver des solutions à ce genre de situation. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Bouka de la radio alternative, Maimouna Diado de la radio et télévision Tambara, El Mohamedou Suleyman euh, du, journal euh, en, ligne Niger Inter et Rufai Dandoua, journaliste sportif. Euh, merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme Jeune du studio Kalangu sur euh, les radios partenaires. et Il sera suivi du forum à Hausa et Ansarma Merci, au revoir.